que Pastef ma nak li leen reproché ki nga xam ne que moo président Macky Sall que ni muy euh, li nga xam que modi euh, chef de parti étant et étant d'autres et tant d'autres moom Bassirou Diomaye mu daal nekkon le secrétariat exécutif mu daal décidé mu daal di li nga xam que de toutes ces instances na ni itam Sénégal mom moko ko di ñor alors euh, sinon à demo Bassirou eh, jeune premier prise de parole euh li nga xamni itam ko mu dal koy accentuer si li nga xamne ne que monti eh, ñent pogne ben bi bokk lutter contre la corruption ben bi moy eh, la réconciliation nationale way itam les institutions les institutions de la république fexe ba daal di koy gën jëmmal waaye itam bokku ni itam si l'allègement du coût de la vie ak le panafricanisme. Euh, Lol Bassignon fait qui exactement à travers euh, sa prise de parole. Alors tout d'abord, Arfam, Blagnon nous aussi dit analyse par rapport à qui est cadre d'un yekinoko. Nakanda analyser cette décision bien hamnitum tchelnoko euh, rompre euh, ses activités. Fanahamitum mais nous Pastef. Mais c'est évident, c'est une fois Alors, Haman Mouno Water rupture il continue donc dans dans dans euh, comment l'ancienneté parce que qu'il y a Water rupture. Hmm ils ont ils ont toujours critiqué PASTEF ils ont toujours critiqué le cumul donc de fonctions ils l'ont toujours critiqué ils ont aussi critiqué le fait que tu sois président et aussi le chef d'un parti ils l'ont toujours critiqué. Hmm. donc tu ne peux pas prendre des fonctions présidentielles et continuer d'exercer d'autres fonctions euh, dans un parti. <laughs> Mandama Diapolikete, il est dans sa logique. Hein. C'est évident. Il est dans sa logique. Toutefois, il le dit, toutefois, il, il passe en action. Parce qu'il ne suffit pas de seulement euh, euh mot Il faut passer en action pour embellir tout ce que tu dis. Maintenant, quand tu prends des propos seulement dans des dits, alors que dans la faisabilité ou bien dans l'action, tu le fais pas, franchement, il y aura défaut. Forcément, mm. il y aura défaut. Mm. Donc, moi, ben, le fait que euh, il veut démissionner donc euh, de son, de son, de son poste de, secrétariat au niveau du parti PASTEF hmm. et exercer la fonction présidentielle. Hmm. Donc il a raison. Il a raison. Parce que pourquoi il a raison Do Amdiot. Do Amdiot Bobo. Il n'aura pas ce temps-là. Un Bassir Diomaye Faye qu'on connaissait. Mais pourtant, Macky complet. Non, non, non, non, Macky Sall Boy, c'est ça, Amoul Dioto Bobo. Il a Mané, ça dit que yann bouddhiste le président de la république c'est pas n'importe qui soit aussi il faut la fonction présidentielle <laughs> c'est pas n'importe qui nous ko am dans un état sérieux qui est président de la république qui incarne le sérieux va paraître' tu continue d'exercer dans un autre dans un parti politique nous il faut être là entièrement pour la république tu le Attends, tu n'es pas le président de la République pour Pastef seulement. Il mm, mm. le président de la République de tous les Sénégalais. De tous les Sénégalais, toutes catégories confondues. Mm. Maintenant, vous faites que Diomaye Faye est le nouveau président de la République du Sénégal. Mais il faut qu'il exerce à part entièrement donc, sa, responsabilité. Mais Moi, madame, sa fonction de président de, la République. Et laisser le parti PASTEF à côté. Quand je dis à côté, moi, madame, aujourd'hui, il ne sera pas donc euh, euh, question de continuer d'exercer comme le secrétaire de, ce parti-là. Il y a des jeunes qui sont là-bas, il faut leur laisser la place. Hmm. Donc, le parti au pouvoir désormais, c'est PASTEF. Maintenant, si le parti au pouvoir, c'est PASTEF, il faut la, euh, structuration du parti, nous quoi. Bassir Diomaye le, poste qu'il occupait dans ce parti, il est désormais, ce poste-là va revenir à un autre, une autre personne. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, il est président, on l'attend dans les défis, les défis majeurs. On l'attend dans les défis majeurs. Moi, mon le président de tous les Sénégalais, régler la question euh, euh, euh, social des Sénégalais et aussi mm. régler beaucoup de points. Il y a cinq, il y a encore C'est ça l'essentiel. Mm. L'essentiel aujourd'hui est de partir dans des fondements de base vers l'essentiel, vers le sommet. Régler donc ñom wa pastef Aujourd'hui, ils sont arrivés au pouvoir. Maintenant, s'ils sont arrivés au pouvoir, il faut régler au préalable cette, ces questions-là. Yoyane dans la gestion de l'autre liak liak liak li tu es venu au pouvoir maintenant on attend de toi de rompre avec euh, l'ancienneté et de prôner le nouveau Bassir Diomaye Faye quand je parle de l'ancienneté c'est ces poste qu'il avait au niveau du parti Pastef il est temps aussi Moussimi. simi mbubu Solat Benen beneen sénégalais yi a encore Solat mbubu Moi, mm. président de la république Bassir Diomaye Faye écoute maintenant attends il faut dissocier le Bassir Diomaye Faye de Pastef et l'actuel Bassir Diomaye Faye, ça aussi, l'actuel Bassir Diomaye Faye, c'est le nouveau patron <laughs> du Sénégal. C'est le chef suprême de la magistrature. <laughs> Maintenant, le chef suprême de la magistrature n'est pas aussi le secrétaire de PASTEF. Il ne peut pas avoir ça. Même si Macky Sall dit Monaco, ça c'est le système. Mon Moi, est on avec le système. Maintenant, le système, c'est un mode de fonctionnement. Et donc, là, Yo, quand tu veux rompre avec le système, il faut aussi rompre avec euh, donc, euh, cette méthode donc, de gestion. Moi, madame, en tant que chef de parti et aussi en tant que secrétaire de, euh, pasteur, pour faciliter la tâche aux gens qui vont donc peut-être apprécier le travail du président de la République. Mm leur faciliter la tâche de parler de Bassir Diomaye Faye euh, en tant que président de la République du Sénégal au lieu de <laughs> en tant que secrétaire euh, du parti PASTEF bu que mon rompre na donc euh, dès donc lenge au parti PASTEF de faciliter ni comme ça bu n'y wax ñu quel Bassir Diomaye Faye la ñuy waxal donc on va parler de Bassir ah, Diomaye Faye en tant que président de la République désormais mais pas en tant que secrétaire de Pasteur. Mm, parce que euh, fële ku doon attaqué. exemple Sonko doon attaqué. voilà président Macky Sall attaqué. Macky Sall attaqué gars ko woy ah, outrage à euh, magistrat voilà euh, offense au chef de l'État parce que le chef de l'État Bobo boobu incarné deux structures yu bokk. léegi kuy attaqué Sonko ngay attaqué maintenant les kuy attaqué Sonko ngay attaqué parce que Sonko qui est le président du parti Pasteur. c'est le leader attaqué ku voilà, exactement. Maintenant, si les gens vont attaquer, ils ne vont pas attaquer Bassir Diomaye en tant que le président du parti passé. Mais si tu veux attaquer le parti passé, il faut attaquer son co Maintenant, si tu veux attaquer le président de la République, il faut attaquer Bassir Diomaye Voilà, cette méthode de gouvernance, ils veulent le prôner. En tout cas, nous l'avons déclaré bien avant. Ils sont dans, dans, dans l'action en entendant Basile Diomaye Faye parler hier, <laughs> tu, sous-entends qu'ils sont déjà passés à l'action. Ils sont déjà passés à l'action, s'il faut. Alors, c'est à dire que nous avons euh, euh, nous l'un investir par le conseil, conseil voilà, déclarer les résultats officiels, Voilà, nous commençons. Parce que tout, pratiquement tous les candidats ont félicité le candidat alors avant c'est clair euh, euh mais par rapport à leneen loo xam ne itam balaa ñoo ci discours il faut nous voir quoi pourquoi la RTS euh, n'a pas justement couvert li nga xam que maudit euh, cette déclaration en <laughs> tant que président euh, de la République exactement non xam nga xam nga Serigne Fallou yow xam nga c'est pas da nga ma invité ci RTS alibi bu ñu de dëmb dañu il n'y avait pas de il y avait un problème de qualité de sonore hmm c'est l'argument avancé par la RTS il y avait un défaut de de de sonore. RTS qualité de mais la qualité de sonore on attendait la RTS c'est l'actuel président de la République qui a été élu. Pourquoi hmm. la, RTS traîne des pieds En que maison de presse, oh, oh, Pourquoi, la, RTS a traîné des pieds hier Bon, pareil, nous le fait qu'ils étaient absents. <laughs> non, nous ne layal. Ils ont préféré aller couvrir la conférence de Amadouba avec leur micro que de venir couvrir la conférence de l'actuel président de la République. C'est ça la réalité. Le directeur de la. Euh, c'est ça la euh, réalité. Ça dit, que, ça dit que la RTS, euh... pour nous, pour c'est le parti au pouvoir, pour nous, c'est APR. Ça dit que nous, nous, croire. Ça dit que beaucoup nous croire, ni que voilà le mot que je cherchais en Olof. actuellement il y a un nouveau président de la République qui a été élu. C'est le journal 20h mais ils ont commencé par montrer la réception du parc journal à travers un portrait. Mm, mm, mm. la RTS a préféré aller couvrir Amadouba que de couvrir l'actuel chef suprême des armées. <laughs> c'est ça la réalité. Ça dit que Bougounou, ça dit dire que Belégui, ils sont dans. Comment dirais-je Mais Racine Tala, c'est que les ces derniers jours ouais, la RTS. Oui, ils sont, ils sont, <laughs> ils sont dans ce qu'on appelle euh, qui, un rêve. Là, mais, dans un rêve. Mais Racine la. un rêve, un rêve coloré. 4 c'est RTS. Un rêve coloré de souvenirs. Mm. ñoom RTS loolu lañ def dëmb